allô papa. Allô Papa, comment vous allez Ça va bien. Et désolé de vous déranger à cette heure. Et c'est que papa, j'ai besoin d'un peu d'argent, Tu as besoin de combien Environ 40 voire 50 000 comme ça. Bon, ça c'est pas un problème. Va gérer avec ta maman. Papa, vous dites Il faut gérer avec ta mère. Papa, maman n'est pas là, elle vient de sortir. Il y a de l'argent que j'ai déposé auprès d'elle. Tu peux aller. D'accord. Comme elle n'est pas là, j'ai vu là où elle a déposé les clés. Est-ce que je peux aller prendre Oui, vas-y. D'accord, merci papa. Allez, Bonne journée. Bye bye. Hey, Zazuro já kilisen yau sig fore. Mini lan yau fore ne to. Son wai di kan wani fore. Kan ya fa fore zan. Wani yau markar kire no é Wo kan kilisen. Windi kiri yanno wani. Windi kiri yanno. Son di plateau har no nigin giza banda hala. Wal gindin gurno da an gina min no su bandu masu yau kanna ba mace da kira ya kurgara a kurgara to ai wanda ai wanda talibi su kan kyau a dai samun dinde wanda bandu الحمد لله الحمد لله والله كنت هنا وين على كولا من ورا اي ورا مو يجور الكوبا الكوبا Hey, prevede, Santos! Alhamdulillah, Est une bénédiction L'enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Non, c'est pas possible. Hey, eh, c'est pas islamique. Écris ici là. Quran. Quran. n'a parlé nulle part. C'est même pourquoi je transpire d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais dire à ma Oh the ሰርግናል ፈትሽ አይ ቦሮ ነው ጃማጅ ነው ከነግ በን በን ከይጋ ቦሮ አይዲ ካው ባም መንት ጎዶ ነው ቦይ ተስከሱ ኖ አታን ቦይ ፎሎ አይ ቦን ያ ዊንድ ነጎች ና je ne suis plus dans les affaires de maraboutage là attention so irko nirgo gana keji sunan kaniya maso na fa na ba mala lokaci to kan borgal janna ce cike yan binyo har masin moto ba dabo mala ei fonir guwani zaga yambo matir ko deno go gidi yerse ger daran dik tonto sor koy ya bayar se gomni aner kanda yer ko no kanda bor ba nama wala adinga wallahi binde bon te bonte borfa ayo mun bay murado zimma zimma di fo mun murado de ayo singati wallahi yer ko hinno ginga ko koy mu ware yer ko ma fir ay murado de ayo singa fi ay bo wana bor ko no go ga fer son ko bor ko ay wo kai gingi chin se denu yang mabai fa wala la har tu fa am dunya wo tun bore boer man bai denu alama ya alama kine ibere kunno zum iken kene denu gichin no kai wo kai gingi chin se no yang din tamu ta din mun tamu da bayar ko no kan da barka ba ko eh beji mutu suno da hare ma nan go war ko tamu ma hangan di ay brike mus ko fur foira mon dieu j'ai échoué l'échec l'échec aujourd'hui je me suis rendu compte oui J'ai vu combien tu peux intimider un candidat aussi arrogant que moi. J'ai vu aujourd'hui combien tu sais faire mal. J'ai vu aujourd'hui combien tu peux détruire une personne. Quant à toi, mon Aziz, on a fait les dix dernières années ensemble. Mais de la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Et j'ai appris aujourd'hui que la culpabilité n'est pas une bonne chose. Que l'arrogance ne fait pas avancer une personne. Et que Dieu donne à qui il veut. Riche ou pauvre, le choix de don lui revient. Eh, félicitations. Merci a plus que tu as remis Oh tu connais mon pote Ah, la Ah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. qui passent sans saler les gens, hein? kai kana yin zakkuwa kana yin ta alhamdulillah ka man dungo to ba a gori alhamdulillah til ras arogan ekil pabu men la ne prochain va fare ici ça c'est sûr eh guna ji bora ya wuri wuri ya ji bora ya Et puis ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous oublier. Et puis c'est sûr, je vais revenir avec une blanche dans ce pays-là. Ça c'est sûr. Ah, ça le pas, toi, hein ah, Vous allez voir. Qu'est-ce qui m'appelle C'est son Dis-le tout, mais que je ne suis pas là. kahin hin ai suruma za lokaco kai ka duniyara kala lokaco ka ai gofana inna mi no pa Au moment ne t'inquiète pas Même si tu sais qu'à jamais papa ne reviendra Une chose est claire, tes enfants sont là Et mon avata mon kaka adunia Insha'Allah, zaki hutawa Patana Allah baki sawona rayuwa C'était Arza negin kata bokulura Et qui t'es sa entrera ici gribana Pour ça j'ai décidé de chanter pour toi Sakani Nanga, c'est pas bon. Là, Zawo, Zao. zawo. Alo, zawo, shiga dush mana. Dush? não wani suke nan fa, a yanzu zai kuwa zan nemi dush. To ki zama ta gida kenan ko? Jida fo, mana ni. Wallahi jida bisa irin koi. Wai wai sai wai guda. Venez là, je vous attends. Attends, c'est bon, parti. Revenez après. Mais chérie. Olha, parti. ya ne hmm? kai lahiya ne kai lahiya na ga kawo sa motsi sibu ya zo zawo na yi shi ni pe corona virus ya yo ora confinement ora ai won tire phone ko ke silly frontier hin cabin do na to kenin confinement na se dola am chin se ne fam kun kuna ai ba zan so ne ma ne se ma ko ne charga matka hi man da ne fam wala hmm. wani wani ko ba ka ta kono mu dai sisiri mu ta shi soke nuga unkuno yadin sisi non bi mata bas sisi non ga ta da unkuno bazo mom tawol no mele bazo e pin kuno ton ton abon no no hey ay woy go mi go na da nyamai zai sai hawi zai wo lalili ne ma man sisi ne ga ta da teli ne ga ta da